Ravi de vous retrouver sur Tampra Télévision. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Les responsables de l'Office central de répression de trafic illicite et des stupéfiants ont présenté aux médias du réseau international de trafic illégal de drogue démantelé à Niamey et a la région de Dosso. Compte rendu à Sani Ibrahim Kantama. Ils étaient des réseaux de trafic illégal de drogue à haut risque de les Anémie et de la région des Dosso. Présenté ce jeudi aux médias nationaux et internationaux par l'Office central de répression des trafics illicites des stupéfiants, au Tous des réseaux spécialisés opérant au Niger vers certains pays de la sous-région. Cet exploit, ces derniers temps de l'Office des centrales de répression des trafics illicites des stupéfiants, prouve l'engagement et la détermination de l'Office dans la répression des trafics illégaux des drogues au Niger. Pour le premier réseau, le 11 janvier 2021, l'Office recevait de ses sources une information par rapport à un trafic de drogue longtemps établi entre plusieurs pays de la sous-région impliquant des personnes de nationalité nigérienne. Après plusieurs jours d'investigation, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants interpelle le 13 janvier 2021 au quartier aéroport de Niamey un individu de nationalité nigérienne en possession de 119 briques de cannabis d'un poids de 98 kg 455. Pour le second réseau, l'exploitation et le recoupement de plusieurs informations concordantes ont permis à l'Office central d'interpeller dans la nuit du 22 au 23 janvier 2021, après huit semaines d'investigation à Niamey et à Dosso, quatre individus de nationalité nigérienne et de saisir 150 000 comprimés de tramadol 250 mg de marque royale en provenance du Bénin dans un village situé à 3 km de dessous. Les opérations ont également permis de saisir un véhicule et une dizaine de téléphones portables. Le tramadol saisi, dont la valeur marchande s'élève à plus de 150 millions de francs CFA, est destiné à l'exportation vers certains pays arabes. Pour Madame Maïdama Adiza, représentant le parquet du tribunal des grandes instances hors classe de Niamey, force reste à la loi face à cette nouvelle recrudescence des trafics illicites, des stupéfiants. Comme il est devenu une routine pour nous, chaque fois qu'ils font ce genre de prise, le parquet vient pour les applaudir et les encourager. Malheureusement pour nous, chaque fois, malgré les efforts que nous fournissons dans la lutte contre ces trafics, on a l'impression que ça ne fait qu'augmenter. Ce qui est encore plus dangereux aujourd'hui, la drogue que nous vous présentons n'est pas celle que nous avons l'habitude de vous présenter. Le dosage a été augmenté. Maintenant, c'est 250 mg au lieu de 225. Et une fois quand on était là, on vous avait parlé de Donga ou Aradou, qui était une drogue sérieusement dangereuse qui détruisait les systèmes nerveux des, des, jeunes hommes qui consommaient, qui rendaient les gens fous et consorts. Mais encore, c'est pire maintenant, la dose a été encore augmentée. C'est une drogue qui vient d'un pays voisin, même si la marque, nous, nous avons l'habitude de la saisir, le dosage est différent. En dehors du tramadol, donc 250 mg, nous avons ici à notre présence 150 000 comprimés nous avons du cannabis qui est ici à côté aussi. C'est 119 briques de cannabis qui ont été prises, pesant plus de 98 kg. Ceux qui ont été pris avec le cannabis sont déjà déférés au parquet et une information a été ouverte à leur encontre. Donc la nouvelle procédure sera ouverte par rapport aux propriétaires de ces 150, 150 000 comprimés de tramadol. Cette recrudescence des trafics illégaux de drogue mérite la collaboration de tous afin de faire face à ces fléaux dans notre société. Enfin, l'Office appelle les autorités administratives et coutumières à multiplier beaucoup d'efforts dans la sensibilisation de la population, surtout riverains du fleuve, dans la lutte contre les trafics de drogue. À l'instar de la communauté internationale, le Niger a célébré hier la journée internationale de la protection des données à caractère personnel. Que signifie donc euh, cette journée Élément de réponse avec euh, Suleiman Brun, journaliste, activiste et spécialiste de vérification de fake news au micro de Aloumou les données à caractère euh, personnel, avec l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, vous constaterez qu'il y a euh, une atteinte grave ou sinon une violation des données à caractère euh, personnel. Ces données peuvent être, par exemple, un signe, ça peut être un numéro, ça peut avoir un caractère physique, ça peut avoir un caractère économique. Bref, il y a tout un nombre de données personnelles liées eh, à chaque personne, surtout ceux qui utilisent en fait ces nouvelles technologies de l'information et de la, et de la communication. Euh, maintenant, j'ai pays, puisque en Europe, comme vous voyez, ça fait des années que les gens ont pris quand même des mesures pour protéger les citoyens de ceux qui utilisent ou de ceux qui eh, font atteinte aux données personnelles euh, de ces gens. Au Niger, euh, il a fallu 2017 pour que le gouvernement adopte une loi, c'est la loi 2017-28 du 3 mai 2017 relative à la protection des données à caractère personnel. Cette loi a été, euh, ans plus tard, modifiée et complétée par la loi numéro, 2019-71 du 24 décembre 2019 qui crée le cadre juridique. Euh, des données à caractère personnel en insistant une haute autorité euh, de protection des données à caractère euh, personnel. Alors, cette autorité est en tout cas l'une de ses missions. c'est de faire en sorte au moins que les citoyens soient protégés contre ceux qui font, ce que j'ai dit, les attentes à leur vie privée, surtout la vie privée. vous allez voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, les gens n'arrivent pas eux-mêmes d'abord à protéger leurs données et les autres essayent d'utiliser mal ces données. Et c'est ça qui explique toutes ces attentes qui nous voient chaque jour. Les gens sont vilipendés, les gens sont insultés, les gens euh, essayent de créer des situations incommisérables aux gens. Et c'est tout ça là qu'il faut essayer de voir. Maintenant, c'est des attentes. C'est vrai qu'il y a l'autorité qui est là, qui est censée protéger les citoyens, surtout en ce qui concerne euh, la vie privée. Je me dis qu'il va falloir profiter de cette journée pour non seulement rappeler aux citoyens, puisque chacun de nous a quand même euh, un rôle à jouer, pour d'abord protéger soi-même ses données et aussi de connaître les lois à la matière euh, pour voir si quelqu'un essaye de tenir ton image ou d'utiliser à d'autres fins tes données, quelles sont les voies et moyens qu'il faut aller pour quand même euh, en tout cas se donner les moyens de le poursuivre, mais aussi de protéger ceux qui les font. Peut-être c'est vrai que bon, les jeunes les font, c'est parce que quelque part ils ne savent pas euh, qu'il y a des lois en la matière qui protègent euh, tout citoyen contre l'utilisation euh, des données à caractère personnel. Et c'est ce que nous devons tous faire, puisque aujourd'hui nous ne pouvons pas nous débarrasser de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Donc, il y a beaucoup de gens, que ce soit au Niger et dans le monde, qui sont victimes de ces gens qui utilisent ou disons qui abusent même de leur données personnelles à d'autres fins. Donc, il va falloir qu'on essaye de regarder, surtout même la haute euh, autorité, de voir comment il faut sensibiliser euh, les gens, surtout que c'est une jeune institution, s'il faut le dire. La loi a été adoptée, en 2017, l'institution a été euh, créée en 2019. Euh, Maintenant, elle a été installée tout récemment en 2020. Donc, euh, j'espère que d'ici là, elle va se donner les moyens au moins de sensibiliser les Nigériens sur l'importance de protéger les données à caractère autre aspect de cette euh, édition des poubelles dans les taxis, une initiative des autorités de la ville de Niamey. L'objectif de cette décision est d'impliquer les conducteurs de taxis de la gestion des tas de déchets pour un environnement sain. Relativement donc à cette question, notre reporter euh, Aïchato Aboubakar s'est entretenu avec euh, Gamatier Mahamadou. Il est le secrétaire général du syndicat national des conducteurs euh, de taxi et Taxi. On le suit. Sur l'initiative du Haut Commissariat à la modernisation de l'État, en collaboration avec la ville de Niamey, ils ont, lors d'une formation, une session de formation organisée à l'intention des chauffeurs de taxi et Faba euh, entre autres modules. Il y a le module, euh, en tout cas, euh, qui concerne l'insalubrité. Donc, les réflexions étaient parties de comment faire pour installer des poubelles dans les taxis afin d'éviter ce que nous voyons, que les gens jettent, en tout cas les déchets, sur, sur la route. Donc c'est comme ça qu'ils nous ont approchés en tant que structure syndicale. Donc nous avons proposé euh, un sac poubelle euh, qu'on va mettre, euh, en tout cas, dans les taxis. Donc un sac poubelle que nous avons conçu qui ne dérange ni les passagers, ni en tout cas les chauffeurs. et un sac poubelle imperméable qui, qui, au cas où même si on met des déchets liquides, qui ne coulera pas. Donc c'est ainsi que ce sac a été validé par euh, tout cas euh, les participants et aussi les services de, l'environnement. Donc euh, le Haut Commissariat à la modernisation de Niamey a conçu 120 sacs poubelles pour une phase pilote. Donc ils ont donné 10 sacs poubelles par syndicat les taxis et minibus à partager aux camarades. Donc euh, pendant quelques semaines, il y a des fiches d'évaluation qu'on va donner aux taximans pour voir si est-ce que réellement ces sacs sont d'abord accueillis par les taximans et est-ce qu'ils font bon usage et est-ce que aussi euh, si les passagers euh, utilisent ces, sacs. Donc c'est ainsi que ça a démarré l'impression que nous avons, c'est que euh, tous ceux qui ont bénéficié de ces sacs euh, sont satisfaits et qu'ils nous ont dit que vraiment euh, les passagers ont commencé à utiliser ces, sacs. Donc ça rentre dans le cadre de garder notre ville propre. Le téléphone portable est devenu un véritable phénomène dans la société. Cependant, cet outil technologique connaît un succès inimaginable. Aujourd'hui, qu'en est-il de la place occupée par les téléphones portables et de leur utilisation Haïssa Adamou nous en dit davantage. La vie sans téléphone portable, cela a bien existé et l'homme arrivait à vivre sans problème. Si beaucoup de gens n'ont peut-être pas connu cette époque, voilà une occasion pour revenir sur ces choses qu'on faisait sans portable et encore moins les smartphones. Parmi les objets du quotidien les plus souvent remplacés par ces derniers, on peut citer le réveil, l'album photo, la radio, la grosse calculatrice, la montre, le carnet d'adresse, la lampe de poche, l'appareil photo, l'encyclopédie, le calendrier, le téléphone fixe, l'agenda, etc. Le téléphone portable a actuellement remplacé ces objets payants auparavant. En dehors de cette évolution technologique, le téléphone portable a plusieurs avantages. Aujourd'hui, le portable est devenu un mal nécessaire que tu sois intellectuel, non intellectuel, tout le monde est, au moins un portable. Parce qu'aujourd'hui, avec des portables, on peut tout faire, surtout pour les étudiants. Ils peuvent tout faire, les commerçants. Ils n'ont pas besoin maintenant de, bouger, de prendre des billets d'avion, aller peut-être en Chine, quelque chose comme ça. dans, leur boutique, ils peuvent faire leurs commandes sans passer par, les avions et consorts. Donc là, ça touche un peu le transport. Et quand vous prenez aussi euh, du cas, euh, le côté studentin, beaucoup maintenant des, élèves se basent sur leur portable avec la connexion Internet et n'ont pas besoin peut-être d'aller dans des bibliothèques feuilletées, ceci, cela, tout ça là. Le portable leur suffit. Et et ça aussi, dans tous les domaines, il n'y a pas un domaine où le portable n'a pas vraiment agi et a fait en sorte que les anciennes pratiques que nous connaissions sont en train maintenant d'être abandonnées, voire même certaines ont été déjà abandonnées. Cependant, cette évolution technologique n'en reste pas sans inconvénient. Au côté de, la téléphonie, c'est là où le bas blesse. L'éducation est vraiment touchée. On éduque à la maison, c'est vrai, mais le portable détruit. Les élèves, pour ceux qui en possèdent des portables, et d'ailleurs même presque tous en possèdent un portable, le simple constat moi en tant que parent, ce que peut-être je peux promettre à mon enfant, quand il m'amène une moyenne un peu forte, je t'achèterai peut-être une tablette ou un téléphone. Euh, nous, parents, on devrait maintenant s'y mettre pour voir dans quelle position, comment. Il faut même déterminer euh, l'âge peut-être. Pour un portable, euh, pour moi, hein, à mon humble avis, il faut avoir un âge, au moins 18 ans. Donc là, à 18 ans, peut-être si j'ai mon portable, je sais peut-être ce que je peux faire avec mon portable. Et la troisième chose, nous en tant que Nigériens, le constat que nous avons fait, beaucoup utilisent mal les portables juste le, prendre le portable pour un luxe, pas pour peut-être euh, euh, un outil de travail. Si je le considère comme un outil de travail, là, le problème ne se pose pas. Mais pour un luxe, je viens, euh, un portable est sorti aujourd'hui, il fait un million, il faut tout faire pour l'acheter. Moi, en tant qu'homme, bon, le problème ne se pose pas beaucoup, mais les filles, où est-ce qu'elles vont en trouver Un million. Et tu vas voir tous les gros portables de haute, euh, de haute gamme, quand ça sort, à moins d'une semaine, tu vas avoir des filles avec. Donc là aussi, ça détruit notre euh, vraiment éducation. Malgré les inconvénients, le téléphone portable a aujourd'hui pris une place très importante dans nos sociétés et voire même incontournable. Au Niger, c'est la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique qui émet les bons de trésor au titre de l'année. L'analyste économique Soli Abdoulaye nous explique le mécanisme de fonctionnement du bon de trésor. S'il se trouve que le ministère des Finances a besoin pour l'État d'un pays, par exemple l'État du Niger, d'avoir 2 milliards au trésor. Et qui se trouve que le trésor n'a en sa disponibilité que 1 milliard. C'est en ce moment que le trésor, il a cette possibilité d'aller vers la banque centrale, donc la BCAO, pour dire à la BCAO qu'il a besoin de l'argent et qu'il veut lever n'est-ce pas, les ressources sur du point de vue régional ou sur-régional, au niveau de certaines institutions financières ou au niveau de tous les citoyens. Et le Trésor maintenant fait des annonces vous avez l'habitude de voir dans eh, eh, eh, des des journaux, que ce soit les, journaux officiels donc, de l'État ou d'autres journaux privés, où on dit que le trésor nigérien veut élever tel montant, donc il a des titres obligataires qui sont les bons de trésor, que chacun peut payer, n'est-ce pas Mais à condition d'attendre un certain nombre de temps, une durée bien déterminée. Si par exemple vous payez votre bon de trésor, donc vous devrez attendre par exemple un an pour que le trésor vous rembourse. Pour euh, la fixation du taux, c'est la banque euh, centrale qui fixe le taux parce qu'elle a des règles, n'est-ce pas Qui sont euh, des règles communautaires. Donc elle, fixe le taux. Maintenant, si l'État du Niger a besoin rapidement d'avoir son argent, il peut augmenter ce taux pour que ça soit plus alléchant pour les souscripteurs. Parce que ceux qui payent les bons de trésor, on les appelle des souscripteurs. Maintenant, le, trésor, ça, il s'appelle l'émetteur. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et surtout bon début de week-end. Au revoir.